C'est que li Saoudite tu avais largement les qualités pour defco en Europe te indi si un peu l'histoire de ta vie qui est liée à ce transfert raté là. Ce que les gens ah. ne savent pas c'est que Monaco mhm. après trois ans après Top nañ ma bi ma Belgique. a ah. sa première année en Arabie Saoudite mais qu'est-ce qui s'est passé à Monaco ce transfert raté là ben, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut compliquer ba nga euh, toujours dans leen méré. waaw malgré dellu siwaat nañ. Mhm. Euh, avec de meilleurs sentiments mais j'avais refusé. parce que mhm. dès que je tourne le dos. je préfère continuer. Mais non, là, demain, Bon, ni c'était simple. C'était simple, c'était juste une invitation pour me recevoir, parce que mm -hmm. nous, me suivre. Mhm. Alors voilà, juste après Coupe d'Afrique, bi madame. allé. -hmm. And avec et Père Fofana, bi euh, à l'époque euh, président girafe uh-huh. alors donc bi ma aussi ma honoré invitation bi togo ak waxtan ak mom bañu ñu donc il y avait aucun problème du genre euh, financier. Uh-huh. ñaata nga soxla mané len li uh-huh. prime de transfert ma wax leen. Diaraf ñaata la soxla pa euh, père Fofana wax leen. dem si yàlla donc il y avait aucun problème dans ce sens mais fi problème moy euh, au moment de signer dans le contrat il était stipulé le joueur du cité Samotour sera considéré comme professionnel et ou amateur bon euh, j'ai école en mhm. général si contrat est mal non, PS rayer la mention inutile. Mhm. alors donc pour me signer il fallait rayer la mention qui était inutile c'est-à-dire. Euh, amateur. Mhm. parce que du monde nekk équipe nationale jouer coupe d'Afrique d'aime de jouer comme amateur. suis mhm. signé signer contrat bi nous professionnel amateur je serais resté amateur. Mhm. donc euh, pratiquement euh, lu de dafay dafay de ma ma carrière j'ai juste dit que je ma me ma contrat que j'envoie ça par fax à mon à mon avocat c'est ce qu'ils ont refusé. Donc, euh, s'il refuse, c'est parce qu'il y avait quelque chose à cacher. Donc, il y avait quelque chose à cacher. Mais bien sûr, déjà, euh, il fallait rayer la mention inutile qui était amateur, amateur. considéré comme professionnel, c'est mhm, tout. Mhm. Mais est-ce que vous voulez juste que tu fasses tes preuves venant du Sénégal Bien vrai qu'ils respectaient ton talent. Non, mais preuve, Amoutoufon, parce que preuve, ils m'ont à l'œuvre. Ils m'ont suivi pendant plus d'une année en mhm. préparation avec l'équipe nationale. Ça m'a match avec Giraffe. Euh, lors de la Coupe d'Afrique. Mhm. donc nous pour pour preuve. Mhm. Euh, d'ailleurs lors le invité pour ma ok Depuis mhm. il n'était pas question de lay inviter juste pour quelques jours pour visiter son installation. ils se sont dit que bon sortie ceeg def donc. il faut qu'on lui propose un contrat. Parce que derrière, il y avait Lens. Il y avait d'autres clubs aussi qui étaient. Qui te voulaient. Des yow sa ñaata nga leen proposé woon salaire ñaata nga tegoon ci table bi non mais dugg si détail c'est pas très important. <laughs> ok après par la suite am na foo nettali nga ne ci soir bi tu as dîné avec Roger Mendy qui était à l'époque défenseur central à l'AS Monaco mu am lu la wax. Roger le même jour je l'ai vu parce que këram l'a añee. Mhm. le matin laa dem euh, au stade Louis II. waaw gisanteeg Campora gisanteeg Arsène Wenger aussi. Mhm. waxtaan ak moom lui aussi il était intéressé par ma venue. Mhm. alors li si desoon juste des euh, truc administratif à régler. Mhm. Alors comme dégoût won sur le sur le contrat, c'est-à-dire si libellé, donc je suis rentré à l'hôtel. Après Roger est venu me, me prendre pour que Madame Ansi Kerem. Donc je lui ai expliqué, le problème. Je lui ai dit que je suis xamné dina gëna dal sa mhm. parce que bo signé won dañ lay Grenoble. Ah OK, c'est lol lañ ci quoi. Voilà. OK, lol une solution Mais nous ñëwaat tout ci Arsène Wenger. Bon, mu don entraîneur Monaco après on a vu la carrière bi def par rapport à tes qualités non mais tu es encore jeune tu peux progresser et tu dois progresser certainement Monaco c'est l'équipe type qui ramener euh, pas beaucoup de pression tu peux tu peux t'améliorer le mhm. plus rapidement possible. Mhm. loolu loolu échangé voilà loolu ngeen Ok. ok ne suis pas trop... Euh, bon, peut-être il ne s'est pas trompé parce que Monaco, après signer en, en, Belgique, mhm. euh, ma première année euh, à la fin de la, de la saison, aussi honnêtement, pour mm non. J'ai tourné le dos. La deuxième année, la même chose. Quand je suis allé en Arabie Saoudite aussi. tu étais en colère contre eux en Colère, par, principe. Ah, C'est-à-dire que qu'après, contre-vérité ici à mon, mon mhm. noir parce que nous, bi ils ont appelé au Sénégal un journaliste dont je tairai son nom pour lui dire que c'était des problèmes financiers Mota, que j'ai été trop gourmand. Mhm. parce que légende bi loolu la jàpp dañuy wax ni que sax sa yaay da ci intervenir ne suñ la joxul lii doo signé. sama m'a si boppam moo dem ba ne ma signeel ne pas signé parce qu'il était question de de respect c'est-à-dire que nit ki boo respecter. respecté. Le nangu la comme condition. principe quoi. mais après yow affaire a ni mu regrets non amo ci ay regret parce que Monaco bobu aussi ma ma ma y avait des jeunes qui émergeaient comme Emmanuel Petit Lilian Thuram Georges Weah. nga une hmm. possibilité jouer avec nous. peut-être que aujourd'hui bof yalla moko tuddu mais tu aurais fait une toute autre carrière. Ça ne te donne pas des regrets. peut-être que ñoo sommes fiers pour jouer avec man pourquoi pas et tout ça du la jox ay regret du tout xam nga euh, man dama nek nitu principe mhm. c'est-à-dire que su def dara aussi je prends le temps d'y réfléchir Je euh, ma ko xamné damay tomber dans l'euphorie j'ai la tête aussi sur les épaules mhm. euh, peut-être tàng naa et tout mais je suis quelqu'un de euh, de très blanc c'est-à-dire que lu la wax alors je voudrais pas que aussi ñuy abuser si sama euh, si m'a trait de caractère yenn yi nga xamné euh dafa def ma ku serein ak ku mhm. calme mhm. bon euh, du regret amul dans la vie mais aussi quelque part y a une y a de la fierté là-dedans euh, peut-être au début ça m'a fait un peu mal mhm. mais la saison suivante je me suis rendu compte que j'avais j'avais fait le meilleur choix okay. d'avoir refusé parce que après nous avons le manager général Frédéric Dobrage. Il m'a appelé pour me dire euh, non, il n'y avait pas de la tromperie. Même si vous même si qu'on a parce que euh, moi j'ai la tête sur les épaules. Parce que quiconque était à ma place aurait directement signé. Wow, Mais non, après moi, dans ma tête, je me disais, quel que soit. xam nga li am importance mooy li la a mhm. ak naka nga koy bu le football ak le plaisir ñi lay là la après d'autres questions, Manchester ou Arsenal ou Kenen. L'essentiel est que tu sois fan, tu nek fan, euh, def li nga wara def. Man non la jappé won football. Mhm. Et franchement, je ne l'ai pas regretté parce que euh, carrière bu gatt bi aussi, j'ai pris du plaisir. OK, yow lol mo moteur quoi moo doon sama moteur. ok amoon nga aussi ay contact en Allemagne avec Karlsruhe. Karlsruhe en France avec Lance, boobu Jules Bocandé mi ngi fa effectivement waaw oui, pourquoi par la suite aussi amoo ci woon ay regret. Euh, c'est-à-dire côté boobu li ma Monaco yàqal. Mhm. foofu la nekk. ok avant d'aller à Monaco dama waroon dem Lens euh, Jules moo réglé woon yëpp feu Jules Bocandé euh, donc moo réglé woon yëpp ba ma war dem c'est-à-dire me déposer son passeport à l'époque da ngay déposer passeport après il y keneen mën déposer lui aussi juste ok donc euh, alors comme l'ambassadeur de l'époque bi était confié au Sénégal mhm. et que moi, il était au courant que Monaco me ma et que Bougon me ma contacter pour moi alors dès que l'invitation de Lance est arrivée ils ont appelé Monaco pour lui dire pour leur dire qu'il y a une invitation pour Victor il doit aller à Lens. Ils ont dit il, ne faut pas lui donner le visa. C'est après, Monaco. Voilà, c'est après que je l'ai su. Ils m'ont refusé le visa aujourd'hui pour Lens. Mhm. Le lendemain, il y a, y a une invitation de Monaco et ils m'ont accepté le visa. Ok. Donc je pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on peut le mettre sur le compte de truc du football quoi ay tiraillement la gënuma la ko xam quoi. effectivement affaire ay xëccoo la transfert effectivement mais si boobu période lan nga wéccu aussi bokandé il était à Lens il avait tout fait pour nga ñëw fofu lui-même il était surpris parce mm. que tout au début il avait cru que xëj na man dama bañ ñëw fofu ok mais après il a su. Mm-hmm. Euh, parce que mom xamna man nan la mel man ak mom ñoo bokk. ñoo bokk caractère ci benn côté c'est-à-dire que liñ la wax loolu la ñu gëm. Mm-hmm. amuñu amuñu amuñu woon. nëbbu moom da ngay wax Jules Jules voilà donc Jules a woon nëbboo. Mhm. Euh, bi ma ko expliqué dafa ma ah Victor mais li may wax doy plus tard tu sauras. Mhm. mais au moment si si si on m'a refusé le visa affaire yooyu ok je vais je vais en parler à nos dirigeants et demain je t'appelle le lendemain. téléphone bi mu sonné j'avais cru que moom la. Mhm. malheureusement à Monaco À Monaco le quoi. donc mu doon euh, quoi. voilà ok yéen ñaar lan mo doon sen je vois que vous étiez très complice Bokandé waaw parce que juste bëgg-bëgg biñu ñu animé c'est-à-dire que jouer pour pour notre équipe nationale aussi mhm. et je me rappelle euh, bi ma nekkee Belgique mom ban club nga en Belgique Ekeren Germinal Ekeren actuellement moom mooy euh, Lokeren non non Germinal Berchkot ah ok voilà donc dafa fusionner avec Benin club bo xamné Lukaku Koubini Papa papam Fala Nekon. ok d'accord. Ah, donc euh, ñom ñoo fusionné joxé tay Germinal euh, Berchkone. ok donc j'ai eu l'occasion bima ma Belgique mom mu doon jouer en deuxième division. à Serein Bokandé. alors chaque fois tassé ñu euh ci euh, ci mbedd bi wala ñom buñu ñëwaan suñu zone pour jouer man dama lan dem seetaan leen. Mhm. uniquement pour le voir et ce que je veux wax c'est mbaa préparé pour l'équipe nationale quel que soit le moment def n'oublie pas que n'oublie pas là où tu viens et que bonne équipe nationale est en nga mhm. donc tu joues tu restes performant et tu te prépares pour l'équipe nationale mhm. donc à chaque fois même temps yooyu li mu metti woon Nous ñun dañ jënd suñu billet di ñëw nous jouons équipe nationale. Nous avons pris 25 000, mais nous avons aussi. Mhm. Nous avons Alimal et toute cette génération-là.